Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur l'émission Le Niger sur Kalangou diffusée via nos radios partenaires. Merci pour votre fidélité. Je suis Rekia Arimi et à mes côtés Samira Rouafi. Bonjour Samira. Comment tu vas Je vais très bien, Et toi, ça va Ça va, Alhamdulillah. Faisons alors aussi un coucou à ceux qui assurent derrière la vitre. Nous avons Issa Lawali à la technique et à l'édition Adama Dawaki. Alors, qu'avons-nous au programme ce matin Aujourd'hui, Samira, nous avons sélectionné une belle variété de sujets pour nos auditeurs et auditrices. Au, programme, au programme de la euh, musique nigérienne 100% et du loti de la culture linguistique, euh, une rubrique hebdo qui parle d'éducation numérique le page sport, la page sport du Mons et bien sûr le flash d'information. Dans la partie invité, nous nous sommes entretenus avec Ibro Dawa, un grand chasseur du village de Yelwa situé dans la commune de Basaga, département de Birlingoni, région de Tawa. C'est parti pour une heure d'infos et de divertissement. Chers auditeurs, comme annoncé dans les titres, nous recevons Mokhtar Hamadou pour le flash d'information. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Samira. Bonjour, bonjour euh, Rakia Arimi. Nous débutons ce flash d'information de ce jeudi avec euh, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Alio Daouda, et le secrétaire général du syndicat national des agents de la justice, Souley Abdou, qui ont signé dans l'après-midi d'hier, mercredi 6 novembre à Niamey, un protocole d'accord relatif à la plateforme revendicative euh, du dit syndicat. À cet effet, les deux parties se sont mises d'accord sur plusieurs points, dont entre autres la modification de la loi portant statut autonome du personnel du cadre des services juridiques, le recrutement du personnel, la dotation en tauge individuelle de tous les greffiers, le rehaussement de certaines indemnités. Le chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, a donné des orientations du comité des chefs d'État-major généraux des armées des pays de l'AESA dans le cadre de l'opérationnalisation de leur plan d'action. Ainsi, sur décision du comité, les chefs d'état-major généraux des armées des trois pays ont passé en revue les conclusions des travaux des experts qui ont travaillé sur le projet avant de les valider. C'était mardi au cours d'une réunion à Bamako, au Mali. Le gouverneur de la région de Tawa, colonel-major Omaru Tawaye, a présidé mardi 5 novembre à Tawa la cérémonie d'ouverture de l'atelier de partage de la stratégie d'achat d'urgence de kits alimentaires et non alimentaires auprès des femmes artisanes commerçantes. La cérémonie a été couplée avec l'installation officielle du comité régional de suivi de la dite stratégie. Ainsi, ils sont au total près de 1000 500 ménages, dont les un dirigés par les femmes, seront touchés par cette première phase compte tenu de la disponibilité du fonds. C'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 7 novembre 2024. Merci Mokhtar pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé en titre, nous suivrons un entretien sur les techniques de la chasse avec Ibro Dawa, un grand chasseur du village de Yaloa. Mais avant, écoutons notre première sélection du jour, le titre Bagashiba, un feat entre Barakina et Adogonja. Gonja. Ado ne da barakina suke shirin ta da waje suke shirin hauna gida. Haba! Ruwa ake. A'a ba ruwa ake ba. Hazo ake. A'a ba hazo ake ba. Shinko wada ake. A'a ba wada bane ba. Domin nake shi. da kanki danne to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba to ba gashi ba kai to ba gashi ba sarki ba gani ba mun ci gaba suna burga burga na ce kai to ba gashi ba nera ba gata ba da bana ta ba bebe mai kyau ba ga su ba kasan da sarki ba kara ba balle ne kare baiwa ba ruwa ba balle ta zobe mugu ne ke habshi sai su kare tsoro na ake da na zo a laɗe wata ce ta da kanta ta kasa jan ajinta da dai ana tashinta yanzu ana gudunta babban bakin gabonta hakkin tsoha neman mijinta to yanzu ba ta ji halle rabiyar ta ke bi to ba ga shi ba to ba ga shi ba to ba ga shi ba to ba ga shi ba to ba ga shi ba Encore une belle collaboration de deux artistes à des nations différentes. Il s'agit bien, évidemment de Barakina du Niger et Ado du Nigeria. Les deux artistes, nous le savons, ont deux styles différents, l'autre rappeur et l'autre chanteur en langue. Ils ont su quand même mettre euh, leur trans euh, transformer cette différence en atout pour nous sortir une belle sonorité avec des mots bien soutenus en français. sun seta ni sun bugo na goce su ba su san da garin ba munan ba fushi muke ba wasa ne fa ba fada ba eh, eh, kar yaro ya zagi babba don mu ba mu san rashin sani ba mai bakin ciki daga bakai bakin cikinka masu hasada su ne masu karya doka ruwa ake ba ruwa ake ba hazo ake ba hazo ake ba shinko wada ake ba wada bane ba dole ne ke shi ai duk saucin da kan kidan ne to ba ga shi ba to ba ga shi ba to ba ga shi ba to ba ga shi ba to ba ga shi ba to ba ga shi ba Bagashiba retour au studio après cette pause musicale pour la première partie de notre entretien avec Ibrodawa. C'est un chasseur, il l'a hérité de ses aïeux. Il nous explique comment se fait la chasse et ce qu'il chasse en bourse. Il est au micro de Haruna Ibrahim. an tafi daji ko mu gida ka sha ruwa kai kwana muka mu daji inda ba mu son azu ba mu son azu sai mu mu daji sun haraka ta harauta bisa ga tahiya salsalar gado da muka gani ga uwaye mun ka ɗuka muna tahiya muna yanin tuwa daji amma dajin yanzu sai zan babu ƙwari irin wanda suke na da. kenan farautar garan shi. in sha mu Allah ga kakakin nan mu ga dan kakan mu wanda ya roƙon garin mu jikoki ne muke mahalbi na uwaye mu sun kaza ka sun kai ɗuka suna tahiya mu tun muna yara muna baya gari su suna tahiya muna ɗukan musu salkuna muna ta muna inintuwa tare da su sun huce muku har yanzu mun duka muna ta haya ba mu saki ba eh muna ta haya muna tuwa daji daga dajin dai sai zan kwari sun rage ba kamar irin na da suke ba adadin shekarar ka nawa kana gabatar da fita halbi to in sha mu Allah shekara na shekara akalla shekara 25 ina halbi ina ta haya sana'a sana'a ta farauta ba in sha mu Allah kuna ina namomin daji haka dami dami kuka fi samu kuna harbuwa to abin da mun ka samu dai zo eh zo kurege da hakarin ne eh eh akwai zabu amma zabon sai zai yanzu ya zan kaɗan muna halibu shi amma yanzu sai zan ya yi karamci amma zo kan shi da munta in sha mu Allah muna tuwa da su da dama wajen kuna samuwa biyar ko shidda hakan ga mutum a'a mu dai muna ba mu sai sai dai mu ba iyali adawa ma iyali makwabta kowa ya samu ba mu sai da ko wani martaba da gare ku na farauta tunda mafi yawanci duk mahalbi yana da wata martaba in sha mu Allah akwai wanda mun ka sani ga kakakin nan mu dan mu hakulla daji in sha mu Allah muna zuwa har mu taho dajin ba a samun komi gare shi. Eh, ya ne ake kulla daji kamar to akwai koyon da muka samu kwai eh muna taya da kwai mai dubara kwan wakara mai dubara ko an shiga daji ba a samu komi in ba musu ba yan muna ada da wasu sun ka shigo daji mun kuma yan Najeriya makwabtan mu in sun ka shigo ba sanin mu ba in sun ka taba samun komi muna musu martan mu kula dajin sai dai su yawo su dawo ba su samu komi ba a insha Allah wannan namun daji wanda zai samu mu babu su yanzu nan mu babu su gari mu wanda da wanda muka jin tsoron mu ji shakku in mun gane su su zaki kan su giwa babu su na yanzu su damisa duk babu su waɗannan kwari manya yanzu wanda annan zomo zabo kwakara da kurigi suna muka kamuwa kafin a fita farautar ni ake fari ko kuma kawai fita ne ake yi muna wani al'ada wadda ta zamantu akwai ganga da a kiɗa mana kowa jiki ne sai shi motsa duk inda maharauci shi da an buga ta sai an haɗu ko aiki haka in dai baka tai ba nan kana jin in ba mutuwa ba ta ɗaya ta kawar da wannan abu ko biki gare ka zai haka kamar ka tai eh al'ada ta wadda an ka gada mana tun kakakin nan mu haga uwayen mu da an buga gangan nan in dai ka ji ta to baka da kanka sai ka tai dajin nan har daga nan garin yalwa zo ki ina kuke zuwa gurin farauta insha Allah daga nan an munka taya munka tahi sai mun kai gaban ga mu ga makal mu dawo dajin saku dau duk sai mun yawo ce ga mu ga makal sai mu dawo zuwa tsugu gidun muna zuwa mu dawo mu ainin toku mu zaka gida eh a cikin ƴaƴan ku akwai wanda ya gaje ka a cikin wannan al'adar na halbi ko farauta to yanzu akan cikin ɗiyana yanzu ta yaga ta halitta da galan ta sa su kam shi na ba su ɗauka wannan abu ko mun taimunci mu ta ba zuwa amma mu dai har yanzu dai ba mu saki muna nan bisa da kan bakanmu sai dai mutuwa yan ta zaka ko tsuha ya kama mu bar zuwa da yanzu wa na ma da shi cikin ta head wa na wanda ban dawan shi tsuha na ya kama da rashin laya da an kame tiyata ya bar zuwa eh. to da mi kuka fita farautar awu da karnu kamar zaka ina da kare biyu su nan in ni gwada musu kwaro in sha mu Allah sai dai in kwana ne su kari ba sai sun kame kowane iri na har maci sun gani kama su eh, ya ne haka ake ma kare alamar ya je ya kamo mi ake to da an ce mai ar ya san da ka daga mai hannu ya san inda ka ce mai eh su karnukan horar da suna an kai ko eh horar da su muna muka dan duk da muka tai da su da daji in mun ka sai mu gwada musu abubuwa da suka kama kwaro yan sun gane ko gida ba su kama shi amma sun gane daji kama su kai eh a karan harauta da bai da wanda ba ya zuwa harauta wanda bai zuwa harauta batanci ma shi kai dan cizo shi kai in ya ga bisa shi kuma kama shi kai amma wanda ka harauta nan bai cizon mutum sai dai kwaro in ya gani shi kama tun suna yara aka muka tayar da su daji mu sa musu karkiya ga hannu mu ma gwada musu su ma nuna musu al'adar da suka suka mu dabba ta daji har gobe kwanan gobe da shi in Allah ya sa lokaci ya kare yanzu an hitar da karmani duka an kuɗi abin daji za mu shiga daji mu gani mu zo mu kaso kwarin daji mu zaka mu gani kuma lokacin da duk muka tahi akwai mutanen da ba su muna shiga cikin dajin amma har yanzu ba mu bari ba waɗanda miyagun ɗaya da suka ba su suna ganin mu ko da yaushe. Eh. to kasancewa akwai haka matsalar tsaro haka ya kuke ba ku tsoro kuwa. a to kamar matsalar tsaro ka ita yan ma jin ta ma ganin su suna gani mu sai ce mun samu su ido sai suna ganin kamar za mu haɗin su eh suna tsoron mu in mun gani su haɗin su muka shi yasa muka ada da mu da su yanzu sai ma ga yan kwanakin ga da abun ya kakuwa a duka kowa su a sauna mu mu kuma na sauna su to eh. abin da sa wannan al'ada ta wanda muka kuwa mu tuntuntun yan mun ka tai sun gani za su amsa sun ka kame za su amsa tsawa muka mu sai su bari mm. sai su ɗauko sai su gamu da mu ba ku ci ko ya ni sa ne inda bai ba su baya da suna muke da sun tai sun ka amun ka azamu sun kuma na bai baya sau da ƙawarsu Eh, eh. Voilà, c'était la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, nous allons encore souffler en musique avec le titre Bakassinei de Ali Atibili. filana filana wala filana makasinai sina filana filana wala filana mabani bako eh eh eh ai manaba ai min binasara ma alhanai she ai manaba ai min binasara maalhanay ma mabani bako induniyara ingano ke kayente bakasine matiyengeno ilmabatere bakasine ma ilmabatere bakasine sine filana filana wala filana bakasine sine filana filana wole filana mkitem tisalami dai madinin asin da lakkal baka sinaino madinin aishimakani nino afindi bako Baka sinai, filana filana, wala qui veut dire amour en zarma, est un bon produit que nous propose le chanteur Ali Atibili. Dans cette chanson, il est sorti de sa zone de confort euh, qu'est le Hausa pour chanter dans une autre euh, langue locale qu'est le Exactement, dans cette chanson, nous sentons que l'artiste veut être à proximité de tous ses fans de zone Hausa. Et d'ailleurs, pour que personne ne se sente délaissé, il chante parfaitement l'amour dans cette chanson qui est aussi une de ses plus belles réussites. gangan nibina baka sinay sinda filana filana wala filana baka sinay sinda filana filana wala filana ay kan ay fundo ay binagaba ingano ay gaba baka sinay fahamayno irma baaterey baka sinay fahamayno ma batterie. J'ai pas voulu te faire du mal jusqu'à tu refuses de ne plus me voir. J'ai pas voulu te faire du mal jusqu'à tu refuses de ne plus m'écrire. Pourtant tu sais que je suis ton amour. Et pourtant tu sais que moi je t'adore. ina so ki gane ki zan ki lura ki san da so bai da magani so me san kashi ne riba kaka shawiya so me san kishi ne riba kaki shawiya dai madinin asin ga girbi baka sinai no baka sinai sinna filana filana wala filana burkan gaba sidi bortali ay binu bako masu hangan forense hangan nibina baka sinai sinda filana filana wala filana baka sinai sinda filana filana wala filana baka sinai sinda filana C'était là le titre Bakassinei du Ali Atibili Samira. Nous allons euh, pour la seconde partie de notre entretien de Iburo Dawa revient sur les difficultés qu'il rencontre dans la pratique de la chasse de nos jours. On écoute, il est toujours au micro de Haruna Ibrahim. a cikin wannan lokaci na kai ya waye haka ma farautar ba kamar gada ba wani matsala kuke fuskanta to matsalolin da muka fuskanta kamar yanzu an muka ta zuwa dajin matsalolin da muka fuskanta a cima kamar mayagun ta'addudin gada akwai su kan muna fuskanta matsaloli don akwai dajin da sun ka hana mana zuwa yan suna gani karnan mu suka halibi ma ba mu ba eh sun ga kare ba su son sai dai su halibi shi a namomin daji yanzu sun zan karamci domin ni domin an kashe icci in sha Allah lokacin waya mu muna tare da su lokacin da akwai kwari bare giwa da gada da dauna wa mu sun taba kamun su tare da mu eh ga wannan lokaci to wannan lokaci sassarciya na aka ba a sai da kwarin daji mu ba mu yi imani da su sai da ba sai dai a ba makwabci duk ina dan uwa yake kai mai na akai a dafa a kai mai sharu mu al'ada mun ka dauke ta ba mu mai sassana a wadda muka ce mu sai suwa ba mu al'ada mun ka dauke ta saboda mun kakakin nan mu suna yi ana zakkuwa an an kai biki hakan a sa aiki kiɗe kiɗe ana yin kiɗe kiɗe ana raye raye ana abun ga wake wake na na al'ada na maharauta eh tarihi shi mun kai ba mu sai da kwarin daji tun ga kakakin mu ba a sai da sai dai a daure daji in an ka akwai lokacin da kakan mu ya mu daji ya gashi ya ci mutum mu dauko ta mun ga dauko ta ya gashi ya aje ya sarka ya ci ku ta ku dauko wuri kaza haka mun ka zo mun karsa ina take in ba shi ba da ya aje a matsalolin da muke ciki yanzu duka daga tahiyar itacen ga da an haka shi mayan kwari duka da sun tesu hamada ta yi yawa babu inda babban kwaro ka shiga shi boye ko ina ko mutane dabba da mutane al'umma sun yawa cikin duniya eh ina suka zama an kashe abin ya zan gonaki Eh, da gumbayi na akwai gangan gari to mutane sun yawa al'umma ta yawa yanzu duka dabba mayya sun gudu sun ta su yanzu abin da muka gani daga zabu fakara da zomo da kurege da fakara su dina muka gani eh to kuna ga ya kamata a kawo gyara domin a maido farauta irin ta da to yanzu kan war muka gani a kawo gyaran bai yiwa na dan akasarin ta al'umma ta yawa wurin da ake zamani mutane sun yawa yanzu babu inda za a barin gonaki a zangon bayi eh dan lokacin babu al'umma masu yawa sai an kabar daji yayi yawa sai kwarin gari kwarin daji suka gangan gari mai haka zama to yanzu mutane sun yawa dajin da masu kunu ma zan musu kadan insha Allah muna da wannan a tunanci muna da wannan kamar yanzu mutane gandun daji kamar su gandun daji garuruwa nan zuwa an buta da jar kasa akwai wurin da gandun daji ya kebe ya kebe ya killace wanda ba a shiga shi dabba ma ba ta shiga shiga shi ta ci abinci sai lokacin da za a buɗe yasa ana a zo a yi farauta shi a samu kwarin daji akwai nan gari wanda a keɓe domin dabba ta samu ta rayu na daji to lalle in sha mu Allah magabata ina muna samu inda aka keɓe muna mu samu gandun daji an keɓe muna inda aka barin shi har dabbobi na daji su rayu nan wannan wuri har lokaci shi kama a buɗa muna shi mai farauta inda muna samun halin mu da sai a muna wannan abu eh da yanzu mun ci gaba bisa ga wannan gurin da mun kasa gaba na gado to ga na gani nan shine a ci gaba gare mu shine a gyara gari ba an keɓe mana wani wurin da za a dabbobin daji su rayu har ƙarfin shekarsa a nan a buɗa mana mu ci gaba da rayuwarmu mu yi cimma mu da muka gada ga kakakin namu da mu har ya zaman tuɗiyan mu su ku su duka su tahi su ci gaba da wannan tahiya amma mu muka gada farauta muka tahiya ko da wani lokaci cikin daji. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, sur l'heure de la rubrique hebdomadaire. Et oui, dans la rubrique euh, éducation numérique de cette semaine, nous abordons un sujet sur la désinformation. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Ousmane, rédacteur en chef adjoint du studio Kalango. Bonjour Ousmane et merci d'être là. Bonjour Ousmane. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors Ousmane, cette semaine, nous avons vu une vidéo circuler principalement sur TikTok qui stipule que des villageois au Nigeria auraient pêché un poisson d'une valeur estimée à environ 2,6 millions de dollars et qu'il aurait mangé sans le savoir. Est-ce que c'est vrai <laughs> Alors oui, euh, pour un peu ajouter du contexte à cette info, on voit en fait euh, une photo sur TikTok qui cumule aujourd'hui plus de 600 000 vues et qui a été publié le 27 octobre euh, sur un compte nommé qui s'appelle Expert, donc sur le réseau social TikTok. Mhm. Mais il s'agit en réalité d'une republication, puisque l'image originale a été postée dès mars 2021 sur Facebook. Et le bruit autour de ce poisson miracle, <laughs> entre griffes, qui vaudrait 2,6 millions de dollars, était en réalité une euh, rumeur totalement infondée. Alors, pour ceux qui euh, ne pas 2,6 milliards de, dollars, ça équivaut quand même à 1,5 milliard de francs CFA. Et donc euh, la question a déjà été traitée en fait par un certain nombre de médias. Donc il y a plus de trois ans aujourd'hui, en 2021, dont Pesachek, qui est une plateforme vraiment spécialisée euh, en matière de fact-checking. Et il s'avère que la valeur commerciale, évidemment, de ce poisson n'est pas aussi élevée. Alors, ce genre de rumeur euh, joue souvent sur l'envie de susciter euh, un, effet waouh chez les lecteurs. Euh, un effet de surprise qui attire l'attention, euh, qui est donc propice à un partage assez viral. Et c'est bien ce qu'on a observé ici. L'information a rapidement circulé sur les réseaux et des milliers de personnes l'ont partagée sans se poser des questions. Par exemple, cette photo a été partagée plus de 6000 fois sur toujours le même compte TikTok et a suscité plus de 1400 commentaires à la date d'aujourd'hui. Alors, euh, finalement, ce poisson coûte combien, au <laughs> sommet Alors, les résultats, en fait, l'enquête de Pesachek a montré qu'il s'agissait en fait d'un marlin bleu. Donc, c'est l'espèce du poisson qu'on voit sur la photo. Et la valeur euh, de ce poisson ne peut en aucun cas atteindre les 2,6 millions de dollars euh, dont il est fait mention. Et le poids d'un marlin bleu varient entre 45 et 650 kg et sont pris au kilo sur les sites en tout cas de vente de poissons spécialisés aussi euh, entre 8,34 et 35,75 plutôt dollars donc environ 5 000 à 21 000 francs CFA le kilo donc ça reste quand même relativement cher mais c'est très très loin des 1,6 milliard euh, de francs CFA qui toutes les questions. Donc en faisant un calcul euh, très très rapide, euh, en prenant en compte les valeurs les plus élevées. Donc, euh, si on prend par exemple le poisson le plus gros de cette espèce-là qui a été pêché, il n'existe pas les 650 kg. Donc, lui, peut-être qu'on l'aurait vendu à un peu plus de 14 millions de francs CFA. Mhm. Et là encore, on est très loin du compte parce que dans la vidéo, on dit que le poisson coûte 2,6 millions de dollars, donc environ 1,5 million de francs CFA. Et donc, euh, ce n'était pas le cas. Oui, mais Ousmane, pourquoi ces fausses informations circulent-elles si vite et facilement sur euh, les réseaux sociaux Qu'est-ce qui fait leur succès Alors, la désinformation en ligne s'appuie sur euh, des ressorts psychologiques. Je pense qu'on l'a rappelé de nombreuses fois ici. D'abord, elle joue sur nos émotions. Ici, avec des chiffres aussi impressionnants comme ces 2,6 millions de dollars annoncés, la rumeur a été éveillé euh, la, curiosité de beaucoup beaucoup de personnes. Dans un contexte où beaucoup de personnes aussi cherchent des informations positives ou sensationnelles, donc ce type de contenu attire l'attention. Et donc une fausse euh, information bien formulée euh, peut toucher des milliers voire des millions de personnes en quelques heures. Et quels sont les dangers de cette désinformation sur des sujets comme celui-ci qui peuvent sembler innocents de prime abord Exactement. Donc, même si cela peut paraître anodin, bon, un poisson qui coûte 2 millions de dollars, euh, on peut se dire qu'est-ce que ça peut poser si jamais c'est faux. Alors, ce genre de désinformation n'est pas sans conséquence. D'abord, il y a le risque de créer des attentes irréalistes. Par exemple, les habitants du village où le poisson a été pêché pourraient croire qu'ils sont assis sur une mine d'or aquatique. Cela peut aussi créer une fausse attente, euh, voire des conflits internes autour de euh, l'exploitation de, cette euh, ressource, ou attirer des personnes mal intentionnées qui pourraient tenter d'exploiter les pêcheurs locaux en profitant de leur méconnaissance des prix, des prix réels. Ousmane, peux-tu nous donner des conseils pratiques pour vérifier ce que l'on voit au lit en ligne pour éviter de tomber dans le piège alors oui, donc la première chose à faire, c'est d'adopter une attitude vraiment sceptique face à ce genre d'informations, surtout quand elles semblent trop belles pour être vraies ou particulièrement sensationnelles comme ce cas-là. Il faut toujours se poser des questions comme euh, qui est la source, qui est la personne ou l'entité qui a posté cette information-là, quel est le contexte de cette info, y a-t-il des preuves qui sont tangibles Est-ce qu'il y a des médias crédibles au niveau national qui en ont parlé euh, parfois, il suffit aussi de faire une euh, recherche assez rapide pour voir si d'autres médias euh, reconnus rapportent la même chose. C'est ce que j'ai fait, par exemple, sur ce cas-là. J'ai cherché et j'ai vu qu'il y avait des médias sérieux qui avaient déjà traité cette question il y avait plus de trois ans. Donc, il faut éviter de partager des informations sans les avoir vérifiées au préalable. Vraiment, c'est le réflexe qu'il faut avoir au niveau de tout un chacun. Merci, beaucoup, Ousmane, pour toutes ces informations et conseils et cet éclairage, bien sûr. On se dit à la semaine prochaine, pour une autre rubrique. Alors, chers auditeurs, quant à vous, écoutons ensemble le titre Ouayemo de la troupe Emma Niger. Wayamo est une chanson des années 80 dédiée aux mamans du monde et a fait le tour du monde. Ce sont les jeunes filles de Dangoudei de Matamei du département de Kanché, région des Andes. Ces paroles émouvantes de cette chanson sont adressées aux mères en guise de remerciement pour leur sacrifice pour leurs enfants, histoire de dire qu'on ne peut jamais assez remercier une mère. c'était là le titre Ayamu de la troupe Emma Tan Niger. Partons maintenant pour l'écho des régions qui nous amène dans la région de Tilaberi et nous allons parler de la rentrée scolaire dans le département de Bankilari. En effet, élèves et enseignants du primaire, et secondaire ont repris le chemin de l'école depuis le 28 octobre 2024. Selon l'inspecteur Lawali Sayewu du service de l'éducation nationale du département de Bankilari, tous les élèves, tous les enseignants de cette zone sont à leur lieu de travail. Il a également souligné que les écoles sont bien protégées, ce qui permet aux élèves et leurs enseignants d'étudier dans de bonnes conditions. Écoutons l'inspecteur Lawali Sayabou au micro de Youssouf Illewat. Pour cette année, la particularité est que vraiment les enseignants sont sur place et on n'a pas eu de difficultés dans les préparatifs, surtout le balayage des cours d'école. Euh, quels sont les principaux objectifs pédagogiques fixés pour euh, cette année scolaire Objectif pédagogique, quand on parle d'école, on parle de réussite. Il y a un programme qui est là. Et ce programme-là, il faut le mener, il faut le suivre, il faut le respecter. Donc, nous, nous allons suivre les enseignants. Nous allons mettre à la disposition de ces enseignants-là tout ce qu'il y a comme document qui va leur permettre donc de mener à bien leurs tâches pédagogiques. Donc, eux aussi, ils vont jouer leur rôle en prenant en charge tous les enfants, sans exclusion, parce que nous, ici, la particularité qu'on a, vous allez voir des écoles où la totalité des élèves sont des déplacés, puisque ce sont des écoles délocalisées ou relocalisées. Chaque enseignant connaît son rôle. Et nous allons essayer de prôner pour la qualité de l'enseignement en intensifiant le suivi, le suivi du côté des encadreurs pédagogiques comme inspecteurs et conseillers, et aussi du côté des directeurs d'école, puisqu'on va mettre à la disposition de ces directeurs d'école des outils qui vont leur permettre donc de suivre régulièrement les enseignants pour un accompagnement de proximité. Parlons maintenant des effectifs dans les classes. Comment comptez-vous gérer, je dirais, les effectifs dans les classes cette année Est-ce qu'il y a-t-il des mesures pour limiter le surpeuplement Bon, mesures pour éviter le pléthore dans les classes Oui, il y a des mesures, puisque nous sommes appuyés par euh, un partenaire éduco avant, c'était avec Sèvres, puisque même Sèvres avait promis de confectionner des hangars. Mais par la suite, SEV a été transféré à Diagourou. Maintenant, avec les autres partenaires comme EDUCO a eu à prendre en charge la confection des hangars dans six écoles. Pour cette année, nous avons fait en sorte que les enseignants puissent sécuriser les SECO. Donc, ce qui a permis à d'autres d'être même prêts pour débuter les cours. Quelles sont donc euh, les consignes sanitaires et de sécurité pour euh, cette rentrée scolaire pour les consignes sanitaires, on a toujours été appuyé par des partenaires, par exemple DEDI, le consortium éduco DEDI, ANTD, ONEN. DEDI nous fournit des matériels aratoires qui nous permettent de rendre propres nos écoles et aussi la prise en charge des jeunes filles en GHM, la gestion menstruelle. Donc tout ça là, c'est accompagné des séances de sensibilisation. Il y a les mères éducatrices qui font les sensibilisations et il y a le CGDS et même les enseignants qui font des sensibilisations à l'endroit des élèves pour que leur cadre de vie, leur environnement soit sain et vivable. Voilà les mesures qu'on a prises. Et en matière de la sécurité pour les euh, écoles bon, Pour la sécurité, ça, ça ne relève pas de nous. Ça relève des autorités préfectorales. Mais par rapport à tous ceux qui se disaient la psychose qui a été créée et qui a fait que beaucoup se sont déplacés, ont fui pour aller vers les grands centres, par exemple à Tera, à Niamey, on constate que vraiment il y a eu beaucoup d'accalmie. Et même les écoles qui sentent les menaces, il y a des forces de l'ordre qui sont un peu proche de ces écoles-là, qui peuvent permettre de mener à bien les tâches. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Le jingle annonce le sport. Place à présent à la page sport de cette édition nous évoquions hier dans cette émission que Zumunta a un nouveau bureau depuis dimanche dernier, un bureau dirigé par notre confrère Mahamadou Djingarei pour un mandat de 4 ans. Alors, quelle est la priorité de cette équipe Rekia, à toi la parole. C'est la question que notre chroniqueur Hasme Gourouza a posée à tout nouveau président, au tout nouveau président Mahamadou Djingarei que je vous propose d'écouter. Ah, la priorité du bureau, euh, c'est de faire en sorte que qu'on puisse asseoir une équipe de football digne de ce nom, qui peut valablement représenter le Zumutat Club. C'est-à-dire que nous allons euh, tout faire pour avoir des joueurs de qualité, des joueurs, des jeunes joueurs, des joueurs en tout cas expérimentés qui vont euh, former cette équipe-là et faire en sorte que nous puissions déjà à Ligue nationale avoir une certaine assise. Je ne veux pas dire que nous allons venir directement pour essayer de monter directement dès la saison prochaine. C'est notre vœu le plus cher, mais nous allons Travailler à la base pour construire une équipe de football digne de ce nom. Notre vœu le plus cher, c'est de faire en sorte que le Zoumouta, le Club puisse avoir une certaine crédibilité au niveau de cette compétition. Et tout cela ne passera qu'avec euh, l'apport de tout un chacun, toute la famille des Zoumouta. Avant de finir cette page sport, notez que la saison sportive 2024-2025 euh, de la Super League va démarrer ce week-end au stade général Seine-Countier de Niamey. Au programme, le premier match va opposer l'équipe du Sahel et celle de Liberté. Et donc, euh, nous y reviendrons dans nos prochaines chroniques sportives et Gourouza sera là pour nous apporter l'actualité de cette Super League. C'est la fin de la page sport. À présent, Passons au portrait du jour, chers auditeurs. Mais bien avant cela, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalango et il est 11h passé de 39 minutes. Rekia, qui allons-nous présenter dans ce portrait Dans ce portrait, nous, nous vous proposons présentons Ibrahim Nouma, un jeune de Gaïa vivant avec, euh, avec un handicap malgré la perte de son œil gauche et il n'a jamais cessé de se battre pour avancer dans la vie. Aujourd'hui enseignant spécialisé en braille à l'école primaire à 2 de Gaïa, il allie son métier à de multiples activités pour subvenir aux besoins de sa famille. Fadela Lou est allé à sa rencontre. Ibrahim Noma, aujourd'hui âgé de 31 ans, a perdu l'usage d'un de ses yeux depuis l'âge de 2 ans. Il a été victime de la rougeole qui lui a laissé cette séquelle malgré de nombreux traitements. C'est l'œil gauche qui a été affecté. Ils ont enlevé l'autre œil là pour m'en placer un autre œil. Et ça a refusé. Maintenant, présentement, je ne vois rien à cet œil là. Ce handicap n'a pas été un frein pour le jeune Ibrahim pour poursuivre ses études. Après l'obtention de son BEPC, il a décidé d'embrasser le métier d'enseignant. En tout cas, c'est une vocation. Ça me plaît. Et j'ai fait deux ans de l'école normale en 2015-16 pour euh, être un enseignant. Aujourd'hui, Ibrahim est enseignant spécialisé en braille à l'école primaire Quartegui 2 de Gaïa. Ses compétences et son engagement font de lui un élément précieux au sein de l'équipe pédagogique. Younousa Mankadade, un de ses collègues, témoigne. En tant qu'enseignant spécialisé, Braille nous assiste beaucoup, surtout au niveau de la transcription aussi des, devoirs des enfants. Par exemple, si vous prenez, c'est pas tout le monde qui a une euh, expérience sur le braille. De lui, en même temps, il sait lire et écrire le braille et en même temps, l'écriture euh, Au-delà de l'enseignement, Ibrahim mène également des activités en ville pour remplir son emploi du temps et sa poche. Pendant les congés ou bien les vacances, des fois même à la descente, comme peinture, la plafonnage des maçonnerie, tout ça je le fais. Je me débrouille. En tout, cas, des mois, si ce c'est pas ce dernier temps-là que tout est bloqué là, je n'ai jamais compté sur mon pécule. Tout ce que les normaux font, toi aussi tu peux le faire. Tout ce qu'il va acheter, toi aussi, avec le temps, tu peux les acheter. Malgré son handicap visuel, Ibrahim Noma ne se laisse pas décourager. Grâce à son engagement et ses activités annexes, il parvient à boucler ses fins de mois. C'était le portrait du jour euh, signé Fadel Alou. Pour euh, boucler notre playlist en beauté, Samira, nous allons écouter le titre Amaria du Carnaval de Maradi. amarya dillallanta abokanta na fara'a wai uwayenta na fara'a ga amarya tana tawaye amarya iye na aye na na nanaye amarya iye na nanaye na na nanaye amarya iye na nanaye amarya ki na hawaye kukan ki kukan bege kuka a yau murna ne ga amarya tana tawaye amarya iye na na. nanaye aiye yariye yi amarya iye na na. nanaye aiye yariye yi amarya iye na nanaye ango kana ji sosai amarya ka tayo sako ce tana da manomi noma ka noma sannu banda ji iyaka ta makwabta in kashe iye yi aiye ariye yi amarya iye na na yi aiye ariye ko ko tang kai si ye na nai ai ai carnaval de Maradi et on passe au loti. Dans la chronique loti d'aujourd'hui, nous parlons de l'hygiène dans la cuisine. En effet, c'est de là que vient tout ce que nous consommons. Écoutons les femmes du studio Kalango sur le sujet. Hey tuwo na gode ai sai aka ce girki ne ai babu kamata ko kuma ya banta shi a ba ko kaɗan <laughs> wannan ai na wa'anda ba na gagaye ne kumya hmm. to tsayawan wanke hannu na mu dawo mu ci gaba da hira aikin sa hanya i kamar gidanki kike hmm. yi subhanallahi me nake gani gambi gambi menene mi aka yi wallahi kin bani tsoro menene ne Me wannan kicin kin naki? Ban gane ba. Nye nye nye biki gane ban gane ba. Me nake gani a gabana haka? Ke a'a, ke me kike gani? Hmm. Ba komai. Wai ke kina da hankali ma? Ba ki ganin yanayin da kicin kinki yake ciki? Duba wannan saltan da Allah. Ai saboda yanzu na gama girki ko ba yanzu muka ci abinci ba ko dan kwana muka tashi muka huta ba. Mm, mm, mm, Duba yanda salte suka yi yawa cikin wannan kicin naki ba kya ce mini ba dai na dahuwar yau ne. Hey, duba kwanoninki duba farantin nan ki yadda suka taru kuma suke da salte kamar dai an yi shekara dubu ba a yi wanke wanke ba a gidan nan wai wai wai wai ke jama da Allah dan annabi ki shaha min lahiya baki nan gani da bani da kowa da zai taimaka mini tsakanin aiki kula da yara da gida gaskiya bani da lokacin gyaran kicin gaskiya mm, mm. wallahi kina bani mamaki baki da lokaci ai dai kuma gidanki ne ko ya kamata a ce shi ma wurin nan ya kamata a kula da shi kamar yadda kike kula da ko ina kuma wurin ga shi ne ma ya kamata na farko da ya kamata yayi tsabta tunda daga nan ne in abu ya hita sai baki ha bai hankalinki bai tashi ma saboda lafiyar iyalinki kaka rashin wanke kwanoni zai shafi rashin lafiyar gidana dokan halayyar rashin tsafta da kuma rashin kula da lafiyar mutane yana iya kawo miki yaɗuwar cututtukan da za ta laƙe ga abinci kuma daga baya ya kawo miki wani illa a cikin lafiyarki. Ah, da gaske kike? Eh mana. To yaya zan yi in kiyaye tsafta cikin kicin ina kuma? Kin san ana ganin mafi girman yaduwar cututtuka a ɗanyen wurare ne. Misali sosan wanke-wanke, kyalle, magudanar ruwa da famfo da kwanoni masu salte. Fara da zubar da tarkacen nan da ragowar abinci yadda ya kamata. kuma ku wanke kwanoninku nan da nan shine mafi mahimmanci shafe wurin dafuwarku da sabuli da ruwa goge teburin da kike yanke kayan miya tsaftace duk wani wuri da suka hada da kofofin firji fur kiziniyar da dai sauran kayan aiki ke kar a ajiye shara a wuraren da ake dafa abinci kamar wannan cikakken kwandon shara da ke bani takaici kamar in kece ki da mari kuma kina iya ajiye shi can gaba kuma a rufe shi da kyau don gujewa jawo kwari zaɓi samfurin da ya dace don tsaftacewa ko maganin da ake ce ma javel don kashe ƙwayoyin cuta amma a mafi yawan lokuta sabulu da ruwa ma kawai ya wadatar wai wai wai wanga abu duka kin ga gambi ki kula da lafiyarki da kuma ta iyalinki kuma ki san da cewa lafiya jari ce shikenan to zan gani in zan iyawa gaskiya wallahi ni na gaji Gambi kina bani takaici. In an ganki ga kinan tsab tsab tsab a waje amma kicin kinki takaici. Mm, Allah abin takaicen kuma. Ya ma wuce nan. Hmm, to, ina sauraron ki. Me ya sauran shawarin da zaki bani don in kiyaye wata dauɗa da wasu ƙwari cikin kicin ina? Kinga, Za ki iya ajiye kayan aiki da kayan da ake amfani da su wajen tsabtacewa a kusa da inda za a yi amfani da su. A rika tsabtace kayan abinci akai-akai a wuraren da ake ajiye busassun abinci kamar su taliya, shinkafa, gwangwanayen abinci da hatsi da dai sauransu don hana taruwar kwari da dai sauran cututtuka. A zub da sharar gida kai-akai kuma da kyau. Halayya ce da wallahi barinta yana da wuya kuma tunda ina zauwa wata ran daga wurin aiki cikin gajiya sai kawai in manta da lokaci nan da nan dare ya yayi bani maganin lahina cikin duk wannan abubuwa wallahi a gaskiya ba abu ne mai sauki akasin haka aiki ne mai yawa amma ana iya amfani da bicarbonate farin vinegar ko kuma lemon tsami a gauraya shi da ruwan dumi-dumi kaɗan da gishiri don wanke maiko maiƙon da ke cikin kicin kinki shi kenan wannan in kika yi shi kin ga ba ƙiuya ba wani cewa ka gaji. To, abin ta bakin ki da sauƙin yi, amma dai na san da dowa da an ka yi sai na kama jikina, sai na sa kuzari. Saboda tana yiwa a ce kullum da an ƙaga cin abinci zan yin shi, kawai ya kamata dai in dai saba ne. Mhm. Ko kefa, kin ga a hakan kwalisa ki heta cika <laughs> gaskiya ko jama na gode insha Allah zan kula da kicin ina da duk abin da ya saura Allah ya hiye miki ba haka ba mijin ke ka miki kishi ni da na san hakan za a yi da ke bude baki sai san kishi Chers auditeurs, c'était le loti du jour. Euh, Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Niali Ali Abdelmoumouni, journaliste traducteur euh, en foldé pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce est l'expression. Bonjour Niali. Bonjour Akia. <laughs> Comment ça va Ça va très bien. Bonjour Samira. Oui, ça, va. Est-ce qu'on peut avoir euh, la traduction ou bien quelques explications sur le mot bon sens en foldé Effectivement, Bonjour chères auditrices, euh, bonjour chers auditeurs de Niger sur Kalangu et bienvenue à notre rubrique euh, culture linguistique de ce jeudi 6 novembre 2024. Le mot du jour aujourd'hui est le bon sens. Mhm. Ce mot a été expliqué en anglais, en français, en germain, en hausa et aujourd'hui nous tentons de l'expliquer en fulfulde. sigilaji studio kalangu niger sur kalangu e mono. hande nantinde kongi alkamisa o du ni min gaddana kongol francire biyetegol bon sens bon sens ni nder francire nder fulfulde eɗen nantina ɗum wi'ude gollirde hakkillo muɗum waɗude jabaki goɗɗo na gollude dabareji muɗum goɗo nayi lewru novembre hitani fuu batu gu enden no waɗe nder leɗe duniyaru ngam foɗude hakkilloji jama are ko watta himɓe nawtoro hakkilloji mu'en de ni no jaabu na no anni waɗude goɗɗum waɗude ba to jooɗa haa leydu ni faa hannden nder koreji mumen nder janngirɗe mumen e ko nanndi titta fuu no haana waɗeede nder ñalowma o annden ɗum ndu ni faa hannden ngam foɗude himɓe gollirde hakkilloji mumen fodde no haaniri adude laawol gollude na jaabaade banndu ngam waɗude ko fonditti tawe bonnay ɓerde banndu bon sens o enɗan na bien gollirde hakkillo ɗum enɗan ni ko nafano ko soɗa du enɗan noon wadda himbe andutira himɓe hakkilloji en kubita sengo woto Voilà tout pour aujourd'hui. Merci Nyali. Merci, bonne continuation. Merci, Merci Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots dont vous souhaiteriez avoir l'explication, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou un vocal sur le numéro comme d'habitude sur le 82 89 89 64. À présent, c'est l'heure pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Amina Haruna wallahi ina sauraron shi abin gaskiya suna da ƙayatarwa. domin Allah in ba dan haka nan ba wani labarin ma ba kashin shi in ba ta nan ba tun da gaskiya abu ne mai amfani mai inganci wanda ake bukata cikin ƙasa ana son shi su ƙara lokaci labarin nan na studio Kalangu wallahi suna kayatar da mu mu wannan jin daɗin mu ne da Allah ya sama har idan nan ta mu ta samu nan ƙarin garat ko ina a halba yau in aka yi labaru kaji ta abin da yawan zai cikin ƙasa kana saurare to ai shine kuni kuma fatan da nake musu ubangiji Allah ƙara musu hazaƙa ƙara musu ilimin ƙara ci gaban wani abu in akwai wata rijiyoyi ma dake can ƙauye su ƙara kai mu can wa'anda sun nesa gabas yamma ko ina su zama na daidai muna ta godiya ku rike tare da su ma Allah rufe asiri suwai ba ali studio kanangu muna sauraron labarurka wanda muka sani da wanda bamu sani ba labarun su akwai maza akwai mata babu bambanci su kara dai karfin gwiwa akan aikin da suke yi suna na rikaye abdulkadir wallahi muna sauraron labarin studio kalangu kuma muna samun labaran duniya sosai hakan dai so nake su dan ƙara lokaci kuma kamar labarin da ake yi na namarici ya kamata a ce a yi kan shi tun da sai lokacin da radiyoyi suke budewa ni ne usman sama anan tanut memba ne mu gaskiya masu jin studio karambu kuma gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen ku da sauransu sai dai mai fatan kawai Allah ya kawar ta ya muna buƙatan kaman bangaren wurin yare na hausan nan shi muke so kaman a dan ƙara yawan shi saboda ba dukkan yaren da kuke samu muke ji ba eh, ne shawaran da muke bada a kai eh, Allah wani yi saka alheri yi Allah ya kara ingancin aikin naku ni ne Abdurrahman Abdu eh, dangane da shirye-shirye na Kalangu eh, to walla gaskiya muna jin daɗin shi sosai sirtu ma yanda su sensibilizan mutane suna shiga ƙauyuka suna tattambayin mutane bisa kan haraka wani aihuwa wani espasamadi ne sansa gaskiya muna jin daɗin abubuwan da suke Allah sa su ƙara su ƙara ƙarfin gwiwa assalamu alaikum ni ce malama badariya ibrahim ina sauraron radio studio kalangu yana katar da mu sosai eh suna labaru abin da yake wakala cikin ƙasa baki daya kuma yana wannan labaru da suke bada suna kayatar da mu muna jin daɗi tunda wasu suna da kurakurai sosai in suka yi suna gyara al'amuran su Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à demain pour le dernier numéro de la semaine avec un autre duo. Vous étiez en compagnie de Rekia Aremi et Samira Wafi. À la technique, c'était Issa Laoli et à l'édition Adama Dawaki. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme à partir de 17h. Excellente journée à tous. Bye bye.